Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine à travers un communiqué de presse en date du 26 mars. Le ministère de l'Intérieur a invité l'ensemble des ONG et associations de développement à déposer leur rapport d'activité de l'année 2023 dont la date victoire est prévue le 31 mars. À suivre aussi le ministère de l'Intérieur qui instruit les conseils régionaux aux présidents des conseils de ville, des présidents des conseils communaux et d'arrondissement communaux de sursoir à toutes les dépenses engageant leurs collectivités respectives, excepté le paiement des salaires. L'actualité, c'est aussi la nomination mardi 2 avril au poste de Premier ministre Ousmane Sonko qui a été une figure clé de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Et Hussein Issa journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur le studio Kalangou commence dans un instant. Les organisations non gouvernementales et les associations de développement ont l'obligation de déposer leur rapport annuel d'activité au plus tard le 31 mars euh, suivant l'année d'exécution. Euh, c'est ce qu'a indiqué euh, dans un communiqué de presse le ministère de l'Intérieur tutelle des ONG et associations de développement. Tout retard dans la transmission du rapport est passible de sanctions, a conclu le communiqué. Hassan Boukar, on va commencer avec vous. Euh, cette décision vise à garantir la bonne gestion des ressources et à renforcer la confiance entre les organisations de la société civile et les autorités publiques selon les responsables du ministère de l'Intérieur. Est-il aujourd'hui facile d'assainir le secteur des ONG et associations de développement au Niger Merci beaucoup Mokhtar. Alors, quand vous dites assainir, il faut se demander qu'est-ce qu'on entend par assainir. Moi, j'ai fait le constat que avant le coup d'État du 26 juillet déjà, il y avait un discours qui ressemble à ça et qui visait les ONG, j'allais dire un discours à charge. Euh, rappelez-vous qu'on a même eu un forum des ONG donc, euh, pendant le régime de la Renaissance. Il y avait un discours euh, qui, qui stigmatisait à la limite les ONG alors que celles-là sont là pour collaborer. Les ONG locales ou bien les ONG internationales aussi les, deux sont là pour collaborer euh, avec le gouvernement dans le cadre de sa politique. Donc, euh, dans les principes, euh, certaines choses qui sont dites récemment rappellent des choses qui ont été déjà dites de par, le passé. le gouvernement a besoin de savoir que font les ONG, ce qui est tout à fait logique. Mais la question, c'est quelle est l'idée qu'il y a derrière alors, euh, on a entendu dire qu'il y avait beaucoup d'ONG dans ce pays, ce qui est normal, c'est-à-dire qu'on fait une comparaison par rapport à 10-15 ans. Oui, le nombre d'ONG a augmenté. Ça veut dire qu'il y a une dynamique dans le pays qui fait que chacun estime qu'il y a de la place pour une ONG qui défend les droits de l'enfant, une ONG qui défend les droits de l'environnement. C'est aussi savoir de la dynamique de notre société, ce qui est intéressant. Des ONG internationales par exemple, avec la crise que notre pays connaît, rappelez-vous que depuis plus de dix ans aujourd'hui, euh, le pays s'est installé dans une crise euh, sécuritaire, humanitaire, qui fait que il y a aussi des ONG qui travaillent en particulier dans ce domaine-là, qui sont, qui sont bien là. Donc, le fait qu'il y ait des ONG, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut On dit par exemple que les ONG gèrent beaucoup d'argent. C'est une bonne chose si les ONG arrivent à mobiliser, parce que les ONG sont aussi censés aller dans des guichets où, l'État n'a pas forcément accès. Et c'est un travail complémentaire avec le travail de l'État. Qu'on dise que c'est l'État qui trace le cadre de la politique, oui, tout cela, c'est des ressorts de principe. C'est l'État qui déroule sa politique sur l'éducation, c'est l'État qui déroule sa euh, politique. Mais est-ce que c'est pas pour lutter contre certains phénomènes euh, tels que euh, le financement du terrorisme, par exemple, dans un contexte sécuritaire délétère moi je comprendrais que l'État prenne des garde-fous, des mesures pour lutter contre ce type de phénomène. Mais sauf que tel que c'est dit, c'est comme si on jette un discrédit sur les, sur, les ONG. S'il y a une ONG précisément qui est prise dans ça, je pense que de par le passé, on a eu déjà des cas où des ONG ont été suspendues sur ce type d'accusation. Hein. Donc lorsqu'il y a des cas précis, oui, euh, l'État peut sévir. Euh, la question de la sécurité est une question importante. Lorsqu'on a l'impression que des gens collabore avec des groupes armés, des groupes terroristes, oui, l'État peut sévir, je pense que dans l'ordre des choses. Mais euh, c'est pour ça que je dis, ça dépend de, au, juste, lorsqu'on pose ces débats aujourd'hui, qu'est-ce qui est derrière Si vraiment on le fait dans le sens euh, de renforcer la coopération entre l'État et les ONG, voire peut-être un peu plus clair, oui, mais j'ai l'impression que ce qu'on a connu pendant le régime de la Renaissance, un discours à charge vraiment contre les ONG, on fait semblant de ne pas savoir que font les ONG, alors que ces ONG collaborent avec l'État, euh, elles signent une convention avec l'État. mais, sauf que beaucoup parmi ces ONG ne déposent pas de rapport euh, conformément à leur mission. Oui, je pense que ça aussi, c'est pas nouveau. De par le passé déjà, le gouvernement a dit, à travers le ministère du Développement communautaire, je crois, les ONG doivent déposer un bilan. Donc, c'est tout à fait logique que l'État veuille savoir ce que font les ONG. De ce point de vue, encore une fois, si vraiment il s'agit de clarifier davantage euh, le travail des ONG, leur collaboration à l'État, oui. Maintenant, c'est qu'ailleurs, ailleurs, hein, quand on s'est attaqué au travail des ONG, ça relève parfois d'une restriction de l'espace public, ça relève parfois d'une volonté de mettre au pas les, ONG. C'est pour ça aussi que ça peut produire un effet inquiétant dans les milieux des ONG. Merci beaucoup Hassan Boukara, Ousseini Sajibou. Euh, ce rapport doit être euh, déposé à la direction des ONG, associations de développement et aux services techniques euh, régionaux de l'aménagement du territoire et du développement local selon un canevas précis et ce avant le 31 mars de l'année en cours. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions conformément à l'article 60 du protocole d'accord type 2022-2026. Que peut-on dire au sujet euh, de ce communiqué euh, de presse du ministère de l'Intérieur moi je pense que ce communiqué de, presse du ministère de l'Intérieur, relativement au fonctionnement, au travail des ONG sur le terrain, ben, ce pas une nouveauté. Hein. De tout temps, ça fait des années que ce travail-là est demandé aux ONG. Il y a une date butoir de clôture des activités. C'est comme quand les ONG signent des, contrats avec les partenaires. Il y a une date butoir, on va dire c'est un projet qui s'étale deux 3 ans, mais à la fin du projet, bien évidemment, il faut soumettre aux partenaires, en tout cas, il faut transmettre aux partenaires la documentation, tout ce qui a été fait sur le terrain, comment l'argent a été exécuté, parce que souvent les gens ont tendance à croire qu'on fait une ONG, on capte l'argent, on dépense comme on veut. C'est-à-dire, c'est comme ça l'argent facile qu'ils prennent et puis bon, ils ne sont pas tenus parce que ce n'est pas l'argent étatique, mais ça vient dans le pays, par conséquent l'État. Voilà, c'est en cela que j'ai rejoint un peu ce que euh, Boukar vient de dire, c'est que bon, on considère quelque part que non, c'est des gens qui sont là, qui captent l'argent dans un pays, on ne sait pas où l'argent va, ils se sucrent avec, n'est-ce pas c'est un peu ça le souci qui guide, qui a guidé, qui a fait en sorte que... Il n'y a pas le côté euh, sécuritaire dedans non, bon, j'ai dit, le côté sécurité, vous savez, on peut toujours mettre des choses dedans. Dans tous les cas, moi, je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame. En toute chose, je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame. Dans toute structure, dans tout regroupement, dans toute corporation, il y a des, des, des, structures qui sont bien, il y a des structures qui sont mauvaises, n'est-ce pas Il n'y a pas un seul, ça dit, il y a comme une focalisation au niveau des... Non, non, non, c'est dans tout. Comme dans les médias. Il y a des médias qui sont sérieux, il y a des médias qui ne sont pas sérieux. Maintenant, quand il s'agit de, réglementer, quand il s'agit de mettre de, de, l'ordre, moi j'ai dit, il faut plus cibler. Il ne faut pas faire l'amalgame. Cibler, cibler les ONG. Euh, qui sont défaillantes. C'est encore plus. Parce que c'est là où la pédagogie, ça, ça permet. Et montrer les ONG qui font un travail remarquable. C'est important. Parce que ça crée un effet d'entraînement et sanctionner ceux qui ne font pas ce travail-là. Mais vouloir faire l'amalgame, mettre tout le monde dans le même sac, peut dire, parce que c'est ça un peu l'idée qu'on donne, un peu l'impression qu'on donne. <laughs> L'observateur non avisé, pour lui, toutes les ONG sont comme ça. Moi, j'ai entendu des gens dire, mais les ONG là, parce qu'ils voient des véhicules 4x4 avec IT, ben, où est-ce qu'ils gagnent Mais ces gens-là, ils sont bien. Mais ils ne savent pas le travail colossal qu'il y a derrière le travail colossal de, de, montage des projets et tout et tout, qui est soumis à un travail intense de, pac, de pactage, de vérification. Tout ça, les gens ne voient pas. Plus au niveau du terrain, le travail qui est fait, le travail est fait sur la base des vérifications. Le partenaire qui a donné l'argent, il s'assure qu'effectivement le travail est fait parce qu'il y a des partenaires qui poursuivent même. Si vous avez souvenance, il y a des ONG qui ont eu des problèmes par le passé avec, euh, comment on appelle ça, avec des partenaires où des gens sont allés en prison. Parce que tout simplement, ils ont carotté l'argent, ils n'ont pas fait le travail. Je ne vais pas citer ici. Mhm. J'ai en mémoire quelques ONG qui ont connu ce, sort-là, mais je ne vais pas citer ici. Mais c'est pour dire que ce qu'on demande là, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau et c'est de bonne guerre qu'on demande parce que c'est des partenaires de l'État. C'est de bonne guerre qu'on demande à ceux qu'ils déposent leur rapport d'activité annuel de bonne guerre pour que l'État puisse avoir une lisibilité de ce qu'ils sont en train de faire comme travail d'accompagnement. Si c'est dans le secteur de l'éducation, si c'est dans, le secteur, tout ça c'est comptabilisé dans les réalisations au titre du secteur, n'est-ce pas c'est en cela que c'est important et moi je ne vois pas l'inconvénient. Mais est-ce que l'État même prend le soin quand ces rapports sont déposés de, jeter un coup d'œil pour voir exactement si ce qui est dit dedans et faire le travail de vérification nécessaire à son niveau aussi. C'est aussi une autre beau parmi les faiblesses, il a été rapporté le non-respect de la transparence et de redevabilité dans la recherche de financement que ces ONG mobilisent auprès des partenaires, mais aussi la mauvaise répartition de ces ONG sur le territoire. Que faire pour redresser la pente D'abord, moi je vais du principe c'est quelque part du bénévolat, hein, n'est-ce pas Quelqu'un qui s'élève parce qu'il a une idée. Il gagne aussi dedans. Non, mais je vais cibler mes partenaires. Ce n'est pas l'État qui me cible les partenaires dans le cadre du travail et ce n'est pas l'argent public que j'utilise. Je vais vers des partenaires parce que je sais que ces partenaires disposent de fonds qui peuvent mettre à ma disposition, mais à condition que je respecte un certain nombre. En tout cas, je respecte leur vision. Alors, quand on dit ils ne respectent pas, ok, peut-être de loin, on observe, on se dit non, ils ne sont pas en train de respecter. Pour vérifier s'ils respectent ou pas, c'est qu'il faille aller sur le terrain voir les réalisations. À partir de ce moment, on peut conclure. Mais de manière abrupte, comme ça, dire les ONG, c'est parce qu'ils ne respectent pas. C'est comme tout à l'heure, ce que j'ai dit, on fait l'amalgame, on met tout le monde dans le même sac. On considère que tous sont comme ça, tous sont pareils. Moi, je dis, ce n'est pas encourageant de la part d'un État. Il faut faire le travail nécessaire de terrain, quel que soit le temps que ça va prendre pour savoir exactement quelle est la peau de ces ONG-là, dans l'accompagnement de l'État dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur. Mais ne pas s'attendre à ce que, parce qu'eux, ils vont faire leur rapport. Mais il est possible de vérifier le travail qui a été fait le, sur le terrain. Mais ce n'est pas toutes les ONG qui, font des rapports. À... Il faut aussi faire la part des choses. Il y a deux catégories d'associations et d'ONG. Hein. Il y en a qui sont peut-être un peu. Bon, quand on parle d'ONG, association, on n'arrive pas à faire le, le machin, le distinguo souvent, il faut voir ceux qui interviennent directement, les, les ONG, les, les, associations de développement, qui sont en direct en contact avec les populations, comme il y a des ONG aussi qui sont là sur des questions de défense d'un certain nombre de, de valeurs les ONG de défense de droits de l'homme. Là aussi, tu peux trouver une, toute une palette d'ONG, ceux qui sont là sur les questions de consommation, ceux qui sont là sur... Tout ça, ce n'est pas la même nature. Le, travail n'est pas la même chose. Quelqu'un qui... C'est des constats, il passe sur des constats. Merci beaucoup, Mais là, c'est des investissements directs. Là, c'est des sensibilisations. Là, c'est des interpellations. Là, c'est des condamnations par rapport à des structures qui doivent fournir des prestations et qui ne fournissent pas ces prestations-là comme il se doit. Merci beaucoup, Zeni Sajibo. Hassan Boukara, selon vous, quelles sont les attentes des Nigériens au sujet des ONG associations de développement Je pense que le, le rôle des ONG, et j'imagine que c'est bien ce que les Nigériens attendent, c'est une collaboration avec l'État. Euh, c'est-à-dire que les ONG aident l'État dans ce qu'il a choisi de faire en matière de développement. L'État veut promouvoir l'éducation de la jeune fille. Vous avez des ONG qui travaillent sur ce, domaine-là. L'État veut promouvoir un environnement sain. Les ONG. Donc, les ONG sont là dans un pays où l'État a déjà tracé son cadre de développement, a élaboré les politiques publiques. Donc, pour moi, les ONG sont là pour accompagner l'État dans ce qu'il a choisi. Par exemple, quand on dit que les ONG euh, sont mal réparties, ça c'est un vieux débat. Hein. C'est un vieux débat. Pendant longtemps, on a dit par exemple, il y a des régions dans lesquelles il y a une concentration d'ONG, il y a des régions dans lesquelles les ONG sont moindres. Ça renvoie parfois aussi à la logique sur la base de laquelle les ONG s'installent sur un territoire. Vous en avez qui sont très attachés à la publicité. Si vous êtes attaché à la publicité, on peut vous voir facilement sur les grandes voies euh, sur la nationale numéro 1, tous les passants voient votre plaque, vos activités, vous tenez à la publicité. Vous avez des ONG qui ne sont pas forcément euh, dans, dans, la publicité, qui peuvent être dans l'accompagnement des populations partout où le besoin se fait sentir. Donc, ce type de débat, les, y compris les accusations, c'est des choses qui existaient déjà. Encore une fois, aujourd'hui, quand on les ramène sur la table, ça dépend de qu'est-ce qui est derrière. Mais je continue à croire que pour les Nigériens, le rôle des ONG, c'est vraiment d'accompagner l'État et de l'aider à obtenir de meilleurs résultats en matière de développement selon le terrain sur lequel une ONG travaille. Chaque ONG définit le terrain sur lequel elle travaille et les résultats auxquels elle veut arriver. Merci beaucoup Hassan Boukar. Merci à vous deux pour vos premières analyses sur notre premier sujet, le communiqué du ministère de l'Intérieur au sujet de la situation des ONG et associations de développement. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder. On observe une courte pause. passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur le Studio Kalangou. À travers un message radio en date euh, du 28 mars, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire instruit les conseils régionaux, présidents des conseils de ville, des présidents des conseils communaux et d'arrondissement communaux de sursoir à toutes les dépenses engageant leur collectivité Respective accepter le paiement des salaires. Ce message concerne les 266 communes du Niger. Et puis, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tchani, a signé jeudi 4 avril une ordonnance portant en dissolution des conseils municipaux, des conseils de ville et des conseils régionaux. Les communes rurales, les communes urbaines, les villes et et les arrondissements communaux seront désormais administrés par des administrateurs délégués, indique le texte de l'ordonnance. Le président du CNSP, le général Abdraman Kiani, a nommé ainsi hier 105 administrateurs délégués à la tête des communes et conseils communaux du pays. Le Niger compte 36 départements, 266 communes, dont 52 urbaines, 213 rurales et 4 euh, conseils de ville. Hassan Boukara, un mot d'abord euh, à travers euh, la nomination de ces administrateurs délégués. Bon, c'était un peu attendu. Hein. Je pense qu'après le message du ministère de l'Intérieur, qui intimait l'ordre aux collectivités de ne plus procéder à des dépenses autres que les salaires, donc beaucoup de gens s'attendaient à la dissolution des conseils. Alors, la raison moi, je ne connais pas la raison pour laquelle les conseils ont été dissous. Au lendemain du coup d'État du 26 juillet, l'Assemblée nationale a été dissoute, plusieurs autres institutions ont été dissoutes, mais le, le CNSP a pris le soin de garder les collectivités territoriales. Celles-ci ont continué à faire leur travail. Elles ont montré beaucoup de signaux. Huit mois après le coup d'État. Voilà, elles ont montré beaucoup de signaux qui montrent qu'elles soutiennent les activités du CNSP et elles se sont mises euh, dans cette ère au euh, post-coup euh, d'État du 26 juillet. Mais alors, au bout de huit mois. Donc, selon vous, c'est ce qui explique ce message radio du ministère de l'Intérieur Je pense que le message, c'est une façon de préparer le terrain à la dissolution. Donc le message est arrivé pour dire euh, attendez, ne faites plus rien. Et donc ça annonçait déjà ce message c'est la dissolution. Je sais aussi que avant cette décision, il y avait beaucoup d'appels hein, au sein de l'opinion, des gens qui voulaient la dissolution de ces conseils, euh, peut-être pour des raisons politiques, parce que quand on écoute certains, alors on dit euh, ceux qui gèrent ces collectivités sont ici beaucoup plus d'une formation politique que d'autres formations. Donc les gens voulaient la, la dissolution. Donc voilà, mais en dehors de ça, le gouvernement lui-même, on ne sait pas les raisons pour lesquelles il a pris la décision de dissoudre ses collectivités. Donc euh, le message est arrivé, puis les nominations des administrateurs délégués sont arrivées. Donc au stade actuel, je pense que c'est euh, difficile de dire quelle est la raison, à moins qu'on ne considère que bon, euh, ça va dans la même logique que la dissolution de l'Assemblée nationale et d'autres institutions après le coup d'État du 26 juillet. Merci beaucoup Hassan Boukara. Hussein Sajibo, un mot au sujet euh, de, l'ordonnance euh, prise hier par le président du CNSP. <laughs> moi, je veux qu'abonder dans le sens de ce qu'a dit Boukara, n'est-ce pas Dès que j'ai entendu le message radio pour dire que les, collectivités, au niveau des collectivités, les maires et les collaborateurs ne doivent plus faire aucune dépense. Ils doivent simplement, en tout cas, assurer les salaires. Assurer les salaires. J'ai dit, mais les carottes sont cuites pour ces messieurs-là. Parce que tout simplement, un maire est là pour travailler au titre de sa collectivité. Il y a des dépenses d'investissement. Si on te dit, tu ne peux plus faire des dépenses d'investissement, tu es juste un simple salarié. Alors, mais <laughs> tu sers à quoi finalement on voyait déjà venir. Hein. On voyait venir. Donc vous, n'êtes pas, ah surpris pas, du tout. Pas du tout surpris. Moi, j'ai causé, j'ai même écrit autour de ça. J'ai dit, voilà, c'est le premier acte qui a été posé. On a pris l'acte là un vendredi et aujourd'hui, le jeudi, une semaine après, ils n'ont même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Voilà que ça, ça, le tombe dessus. Carrément, on dissout. C'est bon. Dès le départ, les gens se sont posé la question pourquoi ils ont été maintenus. À partir du moment où on a supprimé pratiquement toutes les institutions, l'argument qui a été avancé, c'était que bon, ils vont continuer à aider parce que dans le feu de l'action, on ne peut pas supprimer. Ça va mettre du temps parce qu'il fallait mettre des structures, des organes et tout et tout, n'est-ce pas Bon, après, on a vu le débat que ça a pris. On faisait comprendre qu'il y a un parti politique qui avait beaucoup plus de maires et tout et tout. Le PNDES, pour ne pas le citer, n'est-ce pas qu'il fallait balayer tout ça. Mais moi, j'ai dit, en matière de pédagogie, quand on veut vraiment réussir quelque chose, c'est qu'il faut sanctionner ceux qui sont fautifs. C'est-à-dire il faut pas mettre. Selon vous, il faut sanctionner les maires indélicats Mais bien évidemment, parce qu'il y a des rapports d'inspection qui sont là. Quand un maire commet des impairs et ses collaborateurs, c'est pas compliqué. On sait, ça surprend personne. Mais venir d'emblée dire, bon, tous, vous êtes mauvais, sortez, on n'a plus besoin de vous sortez ça prête à débat. Quelque part, on s'est dit, bon, il y en a qui n'ont pas encore eu des postes, mais où est-ce qu'on a pratiquement tout partagé quelque part mais Il faut trouver là où on va caser pendant cette période d'autres personnes qui, qui, attendent, qui piaffent d'impatience pour gagner un endroit où on peut, on peut, on peut au moins trouver de quoi, de quoi grignoter quelque part. On vient, on dit, bon, ça tombe sans dire les raisons pour lesquelles on a balayé tout le monde, on a mis des administrateurs délégués qui vont travailler, <laughs> je ne sais pas comment, parce que pas avec les populations. <laughs> Les maires sont élus par les populations. Maintenant, l'administrateur délégué, est-ce que les populations peuvent l'interpeller peuvent lui dire, monsieur, votre travail là, on n'est pas content de ça n'est pas évident. n'est pas vous qui m'avez nommé. Je fais ce que je pense. Je n'ai de compte à rendre qu'à celui qui m'a nommé. Alors que dans le cas des maires, c'est qu'il y a cette possibilité toujours d'interpellation. Quand bien même on est dans un contexte euh, d'exception, il y a la possibilité d'interpellation des citoyens quand le maire ne travaille pas. Et là, en plus, euh, moi j'ai dit, bon, je ne sais pas, hein, c'est mon opinion J'aurais préféré qu'on garde au moins ceux qui font un travail remarquable et puis se débarrasser de ceux-là qui considèrent qu'ils sont là, qu'ils vont continuer à travailler de la même façon qu'ils ont travaillé quand il y avait les activités politiques. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Euh, je rappelle à nos auditeurs et à nos internautes que notre troisième invité, Memoun Diado, vient de nous rejoindre dans ce studio. Memoun Diado, bonsoir. Bonsoir. Euh, bienvenue, Memoun Diado. Un mot au sujet de la dissolution des conseils communaux, des conseils de ville et des conseils régionaux. Mokhtar, euh, merci. Je ne fais que dire également ce que les deux autres m'ont déjà précédé dans ce sens c'est qu'on s'attendait déjà à cette dissolution euh, des, maires, euh, la révocation de ces maires. Parce que euh, tout simplement, on s'est dit qu'après le coup d'État, il fallait balayer tout ce qu'il y a à balayer. C'est-à-dire que déjà, c'est des institutions. Il faut se soir donc à ces institutions et mettre en place des administrateurs délégués qui allaient faire le travail. Mais chemin faisant, on les a laissés durant huit mois, espérant qu'ils vont continuer, puisque ces maires ont pensé qu'ils allaient continuer dans ce sens. Oui, parmi ces maires, ah, ah, Issa dit, il y a des maires indélicats qui sont euh, quand même épinglés euh, à travers les inspections. On, dit que c'est les maires indélicats. En fait, c'est une seule personne, la mauvaise graine qui, <laughs> qui les autres graines. Ça veut dire tout simplement que quand vous regardez, quand il y a des inspections qui se sont faites autour donc, euh, de ces mairies, ne partons pas très loin, restons déjà à Niamey ici pour voir euh, au niveau donc, de la mairie centrale ce qui a été dénoncé plusieurs euh, années durant la gestion donc, de cette mairie centrale. Moi, je pense qu'en en fait, le gros problème, c'est que eh, le travail qui vient d'être fait, c'est que c'est pour permettre non seulement à la Coldef, puisque la Coldef fait également euh, sur certains dossiers, à la Coldef de pouvoir faire son travail au niveau donc de ces inspections, de ces maires-là, qui n'ont rien fourni et qui ont peut-être dilapidé de l'argent sans justificatif. Donc, je me dis également que Aujourd'hui, euh, puisque c'est des élections qui les ont amenés et que nous sommes dans un état euh, d'exception, je pense qu'il faut que <laughs> ça soit également, euh, les mairies soient également dirigées par des administrateurs délégués en attendant les nouvelles élections qui vont pouvoir relire encore ou bien élire encore d'autres maires. Mais je suis tout à fait d'accord avec Ousseini. Il y a certains maires qui ont travaillé pour leur commune mais il y a d'autres maires quand même qui n'ont pas travaillé pour leur commune et qui doivent rendre gorge au niveau de la Coldef. Et moi, je suis sûr que c'est juste qu'il y a des dossiers où il faut suspendre ces maires-là pour pouvoir mettre la main sur ces maires-là et afin de euh, leur demander des comptes au niveau de la COLDEF. Merci beaucoup, euh, Mme Diado. Euh, question générale à vous trois. Quelles sont les attentes des Nigériens vis-à-vis du gouvernement du CNSP au sujet des collectivités territoriales au Niger Rapidement, Hassan Boukar. Moi, je pense qu'il faut faire une réflexion sur les collectivités territoriales. C'est une expérience dans laquelle le Niger s'est engagé depuis quelques années vers la fin de la Ve République, on avait une institution qui s'appelait le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui avait déjà commencé à réfléchir sur notre expérience de décentralisation pour dire quelles sont les faiblesses euh, du point de vue de la mise en place des institutions de la décentralisation, des rapports entre euh, les instances élues et la population. Il y avait un certain nombre de, de réflexions qui étaient menées de façon à corriger et à aller sur de nouvelles bases. Ça n'a pas été possible. La crise politique de 2009 est passée par là. Aujourd'hui, rapidement, les collectivités ont continué à travailler. Euh, on a renouvelé les élections il y, a quelques, il il y a quelques temps et tout ça. Je pense qu'il y a une réflexion à faire sur les collectivités. Il y a des défis importants au niveau des collectivités. Par exemple, en termes de mobilisation des ressources, il faut réfléchir comment aider les collectivités Sur la démocratie à la base, puisque c'est aussi une des raisons de la décentralisation, comment améliorer le rapport entre les élus et la population Comment améliorer la transparence, la redevabilité Il y a un certain nombre de défis qu'il y a aujourd'hui dans les collectivités autour desquels on peut faire une réflexion et dire voilà ce qu'il faut faire pour aider les collectivités à jouer vraiment leur rôle. Donc, à mon avis, moi, je les attends un peu euh, sur cette. Sajibo, rapidement. les attentes des Nigériens euh, au sujet vous savez, moi, j'ai travaillé, j'ai travaillé pendant un moment sur cette question de décentralisation. Hein. Depuis qu'il y avait essayé Alidou à la, tête de cette structure-là, j'ai beaucoup travaillé sur la question. Je dis, indépendamment de ce que Bouka vient de dire, c'est qu'il y a d'autres aspects aussi, parce que la décentralisation, ça suscite le réel engouement. Parce que quand j'ai l'autorité sous mes yeux, et il est accessible, ou que je peux l'interpeller à tout moment, par rapport à, à ses défaillances et tout, il y a un aspect qui n'a pas suivi le transfert des ressources, n'est-ce pas Aux collectivités. Aux, collectivités, quoi qu'on dise. On a mis des maires et on sait qu'il y a un déséquilibre entre les collectivités. Il y a des collectivités où... Qui sont viables. Qui sont viables, il y a des collectivités. Tout ça, ça a été identifié, n'est-ce pas On dit, bon, on va faire un travail d'équilibre dans la même zone. Quand une collectivité est plus viable financièrement qu'une autre, on va essayer d'équilibrer pour aider l'autre collectivité, ceci, cela. Mais ce n'est resté que sur parole sur papier, mais dans les faits, ça ne s'est pas traduit. Même le transfert des compétences, on dit, on a transféré, par exemple, comme compétence l'éducation, je crois, comme ah, sans les ressources, ah, l'environnement, tout ça. Sans les ressources. Sans malheureusement les ressources. Mais quand on vous dit, vous allez prendre en charge, par exemple, les enseignants contractuels, <laughs> et même la mairie, les agents de la mairie, vous n'arrivez pas à les payer avec ce que vous, mobilisez. Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il n'y a pas de miracle. L'État doit être l'arbitre, créer les conditions pour que. Regarde, même en termes de mobilisation des ressources, vous pouvez être une collectivité qui génère beaucoup de ressources. Quand tu prends, par exemple, je prends un exemple comme Conny, où il y a la douane qui, recette, qui fait des recettes et tout et tout. Mais vous n'avez pas droit à toucher, vous, en tant que maire. Quand des choses comme ça se posent, on se dit bien, est-ce qu'on veut véritablement faire de la décentralisation un levier de développement à la base Parce que si c'est pour faire un levier de développement à la base, il faut créer les conditions pour que ces entités-là soient viables. C'est-à-dire puissent faire des investissements à partir des ressources qu'ils mobilisent, pas des petits investissements, construction d'une classe ou réflexion des tables bancs, des choses comme ça. Il faut créer les conditions pour qu'ils puissent accéder, avoir, générer beaucoup de ressources et qu'ils puissent investir. Un aspect, par exemple, sur lequel je vais peut-être insister, dans le domaine extractif, où on dit, il y a, euh, comment dirais-je, un fonds qui est alloué. Mais malheureusement, même ce fonds-là, souvent, c'est pas, pas libéré. Les, redevances. oui, bien sûr, les fonds destinés aux collectivités qui sont, qui sont comment dire, dotés de ressources minières en exploitation, on doit pouvoir donner des fonds quand même consistants à ces résultats. Mais malheureusement, même le décaissement de ces fonds-là, ça, pose problème. Ça pose problème. Comment dans ces conditions peut-on attendre des miracles des gens de ces mères-là. Mais j'ai dit, c'est bien beau de jeter l'anathème sur eux, mais il faut aussi regarder notre pratique. Merci beaucoup. est qu'on est en train de faire réellement, on a créé les conditions pour que ces mairies-là soient viables Merci beaucoup, Sénis Il de ressources qui rentrent. Le maire, avec ses collaborateurs immédiats, il veut bien rouler dans une 4x4 allez-y rapidement. Bon, moi, je, moi, moi, pense qu'il faut d'abord aller sur la base de réforme. Il faut reformer pratiquement euh, cette décentralisation pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et également améliorer. Maintenant, il faut également aller sur la base de la formation de nos élus locaux. Parce que certains de ces élus locaux manquent de formation et ne sont nullement rattachés à la population, comme on le dit. C'est la population qui les euh, élise, mais de l'autre côté, il y a des maires qui ne connaissent pas véritablement l'enjeu et le, rôle qu'ils doivent jouer au sein donc de cette communauté. Moi, je pense qu'il faut également mettre l'accent sur cette sensibilisation, sur cette formation de nos élus locaux. Euh, maintenant, quand on parle de fonds également, c'est vrai, il faut mettre à la disposition de ces communes, de ces mairies-là, le fonds nécessaire qui, vont, qui va permettre donc... Euh, Mais est-ce que le Niger a tous ces moyens-là le, Niger, non, quand on dit, il y a les ressources minières qui sont là. Quand même, quand une commune ou une mairie se trouve euh, dans une région où il y a pratiquement cette ressource minière, moi je pense qu'il y a déjà un fonds qui est alloué à cette mairie pour que la, mairie puisse fonctionner. Mais quand on regarde aussi... malheureusement, pas mais moi, mais, moi, je suis aussi contre le fait qu'aujourd'hui, quand on regarde seulement Niamey, avant, chaque commune avait la possibilité d'arranger sa commune. Chaque maire avait la possibilité d'arranger sa commune avec euh, le fonds, les collectes de fonds qu'il arrive à faire les mairies étaient propres quand même, les communes étaient propres, mais aujourd'hui, du fait de... Tout est centralisé au niveau de la ville. Oui, quand c'est centralisé au niveau de la ville, on comprend que d'autres maires, ils, ne sont là que uniquement euh, sur papier, parce qu'ils ne peuvent pas faire plus loin de ce qu'ils veulent faire. Il faut toujours euh, exprimer ses désirs au niveau de la mairie centrale. Et c'est la mairie centrale qui décide des dépenses pour ces communes-là. Donc c'est ce qui fait que quand vous regardez, les communes n'arrivent même pas aujourd'hui à balayer, à prendre en compte cette situation d'insalubrité. Moi, je pense qu'il faut également essayer de dégager, essayer de voir, c'est bien bon de dire que c'est centralisé au niveau de la mairie, mais il faut essayer également de donner quelques moyens à ces mairies, à ces communes-là pour que ça puisse fonctionner aussi. Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a nommé mardi soir au poste de Premier ministre Ousmane Sonko, qui a été une figure clé de son élection, le plus farouche adversaire politique de son prédécesseur Macky Sall. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre, indique un décret lu par le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sambaba, sur la télévision publique je mesure l'importance de la confiance que le président Faye a placée en ma personne, a déclaré sur la RTS Ousmane Sonko 49 ans, euh, qui avait euh, proposé la candidature de Bassirou Diomaye Faye après l'invalidation de la sienne. Ousseini Sajibo, Bassirou Diomaye Faye, jamais élu auparavant, devient le plus jeune euh, président du Sénégal, au moins de trois semaines après être sorti de prison. Que peut-on retenir au sujet de la nomination son Sonko au poste de Premier ministre au Sénégal D'abord, je veux dire qu'en tant que président, tu dis jeune, jamais élu. Il est né sous une bonne étoile. Il a croisé dans sa vie quelqu'un qui est aussi, comme avait dit, un leader charismatique. Qui est aussi jeune. qui est aussi jeune, bien évidemment. N'est-ce pas, Ousmane Sonko Parce que cette victoire-là de Jomai, c'est la victoire d'abord de Sonko. Les populations sont, sorties massivement pour voter pour que le passage se fasse de le premier tour, qui n'est même pas d'amalgame qu'on dise qu'il y a un deuxième tour, n'est-ce pas ça, tout le monde est unanime la décidé, y compris la classe politique, la vieille classe politique sénégalaise tout entière est unanime. Ils ont été chicotés par des jeunes gens qu'on pensait pouvoir détruire, n'est-ce pas À commencer par le président Macky Sall, le président sortant. Ça, c'est d'abord une leçon. Et c'est tout à fait normal parce que c'est tout à fait normal qu'il J'ai vu, ça a commencé à susciter un débat sur les réseaux sociaux. Il y aura traîtrise entre les deux par la suite c'est pas toujours évident. On prend des exemples. J'ai dit, c'est pas toujours évident. Il y a une solidité de lien entre eux. D'abord, le projet qui va être mis en œuvre, le programme qui va être mis en œuvre, c'est d'abord le programme du PASTEF. Et ce programme a été conçu par d'abord Souman Sonko, n'est-ce pas Et celui qui a décidé. Le Premier ministre. Mais bien évidemment. Et alors, moi, je viens, je suis nommé grâce à lui. Parce que c'est grâce à lui, grâce à lui et grâce à lui que j'ai été nommé. Les populations sont sorties massivement. Je suis son second, je suis son secrétaire général. Quand on m'a empêché d'être candidat, il a jeté son dévolu sur moi pour que je représente le parti. Il l'a fait en cherchant pertinemment que le mot d'ordre va être suivi et ça a été suivi. Maintenant, alors, pour me donner une chance de succès par rapport à ce qui m'attend comme tâche, comme travail, comme mission, mais je vais naturellement prendre celui avec qui on est assis pour faire le travail ou du moins pour élaborer le programme. Parce qu'il connaît mieux que, certainement, il connaît mieux que John May, il connaît mieux ce programme-là que, et il va le recadrer. Bon, bien évidemment, il faut une hiérarchie. Il y a le président de la République, il y a le premier ministre. Maintenant, bien évidemment, il faut aussi s'attendre à ce que des gens cherchent à créer la bruit entre les deux. On est en Afrique. Les gens verront vite fait ils vont se dire il faut les disloquer. Quand on parvient à les disloquer, on va les fragiliser, on va fragiliser le parti. Merci beaucoup. Mais je pense qu'ils vont peut-être résister à travers ce qu'ils ont vécu comme expérience. Ils vont peut-être surmonter ces, ces, ces, coups tordus-là pour pouvoir travailler et changer et montrer aux autres peuples africains, aux autres pays africains que avec la détermination, avec la conviction, on peut arriver à, faire bouger des montagnes. Merci beaucoup, Hussein Sajibo. Maimouna Diado, après euh, trois années euh, de tension et une ultime euh, crise préélectorale en 2024, son avènement accepté de tous à l'issue d'une campagne express tient presque le miracle, a dit le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Kamara, avant de recevoir son serment. Quelle est votre opinion au sujet de la démocratie sénégalaise la démocratie sénégalaise, le, Sénégal a démontré que jusqu'à présent, il y a cette démocratie là-bas, euh, au niveau du Sénégal, et que le peuple, c'est le peuple qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, cette démocratie puisse euh, résister. Le peuple était au devant de tout, et ils ont cru à ces deux jeunes, Sanko et Bassirou, et ils les ont portés à la tête de ce pays. Je pense que réellement, ça doit faire, ça doit être une école. Une école pour... Euh, euh, une, école pour les, autres pays. pour les autres pays, pour la jeunesse des autres pays surtout. Parce que là, ce sont des jeunes qui se sont imposés, ce sont des jeunes qui ont battu campagne, ce sont des jeunes qui, pour la première fois, ont formé un parti politique et qui a réussi. Aujourd'hui, nous est-ce qu'on peut expérimenter ça au Niger On peut expérimenter. Il, le, Sénégal, quand même. Ces deux jeunes-là ne, ne valent pas plus que nos jeunes qui sont ici au Niger. Je pense que c'est une détermination, c'est juste la volonté et ils se sont battus pour arriver là-bas. Mais pourquoi les jeunes aujourd'hui au Niger, on ne peut pas en trouver On peut en trouver. Il y a beaucoup de jeunes qui sont tapis euh, dans l'ombre de certains partis politiques. Aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui font la force de ces partis politiques quand on regarde. Ce n'est pas le leader charismatique qui fait euh, la fierté de ce parti politique, mais ce sont des jeunes qui sont en bas et qui sont en train de travailler pour ces partis politiques. Donc, il est temps qu'il y ait euh, l'éveil de conscience au niveau de cette jeunesse. Pourquoi pas un jeune leader au niveau donc de ces partis politiques. Pourquoi les jeunes ne peuvent pas aujourd'hui s'asseoir, regarder ce qu'ils doivent considérer comme un acquis et aller au-delà de ces élections pour pouvoir remporter les élections. Pourquoi pas Pourquoi ne pas créer aujourd'hui euh, un parti politique où ce sont des jeunes qui vont se retrouver Il y a eu beaucoup de jeunes candidats ici au Niger. Moi, je ne moi, je, pense pas que ce sont des jeunes candidats. Ils sont, ils sont, ce, sont véritablement des jeunes candidats. Mais ils n'avaient pas la volonté, en tout cas, de travailler. La volonté ou les moyens Non, ils n'avaient même pas la volonté parce que quand je, je dis, ce n'est pas les moyens qui manquent quand même. La volonté, c'est quoi C'est quand, à un premier échec déjà, tu te tu te retrouves de l'autre côté avec un pouvoir où tu penses que non, non, non, il faut que je suive le pouvoir là pour pouvoir euh, avoir quelque chose dans ma poche. Mais moi, je pense que ce n'est pas une volonté. Aujourd'hui, les ans on les avait licenciés avant d'être là où ils sont aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils avaient, quand ils ont été licenciés, les gens disaient que c'est fini pour eux. Mais non, ils se sont en tout cas retrouvés, et ils ont, se sont unis. Mais c'est ça qui manque au Niger. Merci beaucoup. L'unisson des uns et des autres, c'est ça qui manque. Merci beaucoup. Et grand plaisir aujourd'hui que ça soit Sanko également qui dirige la primature. Parce qu'une équipe, quand vous voulez gagner, il faut également <laughs> deux compétences à la fois. Merci beaucoup, Mme Hassan Boukara, âgé de 49 ans, Ousmane Sanko, est une figure de l'opposition du régime sénégalais et a joué un rôle clé dans l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Quels sont les défis qui attendent euh, le nouveau euh, Premier ministre euh, sénégalais et son gouvernement Alors je pense qu'il faut d'abord un peu arriver à calmer la rue. Il y a eu beaucoup de divisions. Hein. Je pense que ces deux dernières années, les décisions prises par Macky Sall ont beaucoup divisé les Sénégalais. Ils ont besoin d'un minimum de cohésion pour euh, réussir leur, mandat. Mais aussi, ces élections ont montré quand même cette capacité des Sénégalais à vraiment dire un mot dans l'espace public. C'est-à-dire que cette élection euh, de quelqu'un qui sortait à quelques jours seulement de prison, qui est élu au premier tour, laminant totalement les, anciennes formations politiques. Alors c'est un message très fort de l'électeur sénégalais. Ça montre que l'électeur sénégalais, il est en avance sur son élite politique. C'est-à-dire que les agissements des l'élite qui est toujours attaché sur du coup bas, l'utilisation de la justice, la corruption, etc. Alors, ils ont su passer un message. Pour qu'ils réussissent, évidemment, il faut qu'ils arrivent à travailler la cohésion. Ils ont aussi de la chance. Le Sénégal va produire du pétrole. Ils auront des ressources. Ils peuvent s'ils gèrent bien, utiliser ces ressources. Mais moi, je me posais des questions avant l'élection de, de Sonko. Je me disais, il a le choix il arrive Il y a aussi le chômage des jeunes. Euh, qui... Il y a le chômage, euh, tout à fait. Je me disais, alors tous les deux sont jeunes, ils ont une république à gérer. Est-ce qu'ils vont se mettre ensemble Yoma Faye, président, et son premier ministre Mais la proximité est trop forte. Le discours, c'est toujours c'est Sonko qui a fait Dioma Est-ce que l'équipe peut aller sans qu'il n'y ait. Bon, oh, c'est quand même des. Une division, vous, vous pensez Alors, à une division Et du euh? coup, je me suis dit, une des solutions pourrait être que Sonko reste en retrait, il reconstitue PASTEF, parce que le parti est là, c'est sur la base du parti qu'ils ont quand même acquis cette victoire. Il peut travailler en laissant plus de marge pour que Bassirou n'ait pas l'impression tout le jour que bon, euh, qu'on lui dise bah ouais, mais ce son qui t'a eu. Alors qu'il ait un peu plus de marge pour travailler sans être gêné par la présence de son quoi à la primature. Alors, ils ont fait le choix. Euh, les, Sénégalais posent aussi ces débats. Certains pensent peut-être qu'il pourrait avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, de façon à ce que dans une nouvelle élection, son corps puisse être à l'Assemblée nationale, nationale, est d'être à la primature, trop proche de Bassirou, peut-être pour lui faire ombrage, etc., etc. Donc, mais dans tous les cas, ces deux-là ont déjà fait le miracle au Sénégal. Ils ont fait le plus difficile, passer tout son temps en prison et de la prison arriver au palais présidentiel, ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Ils peuvent toujours faire des choses importantes pour le Sénégal. Euh, rapidement, par rapport à ce que Memona a dit. Memona, le problème de la jeunesse nigérienne, c'est une jeunesse sans conviction, malheureusement. Quand les gens investissent la politique, c'est sans conviction. Ils investissent la politique pensant se réaliser à la courte échelle. C'est réalisé. Ils ne viennent pas avec des convictions. Contrairement au Sénégal, vous avez vu un temps quand on avait demandé à Sonko une caution de combien, je ne sais plus combien de millions, c'est carrément les militants qui ont mobilisé, plus que le montant qui a été demandé. Est-ce que vous voyez un jeune ou des acteurs, des militants mobiliser autant de ressources Quand on crée la situation, une situation où on se dit que le leader, c'est lui qui doit régler le problème de tout le monde, voilà un peu l'esprit dans lequel on vient en politique. Tu viens en politique, tu es d'accord avec les idéaux défendus, les valeurs qui sont défendues par le parti, tu viens. Mais malheureusement, on ne vient pas. Et c'est ça qui fait ce, comment dire, ce nomadisme qu'on voit. Que le monsieur, il est là parce que le parti n'est plus au pouvoir, il va de l'autre. Et même les jeunes, aujourd'hui, il n'y a pas, moi, c'est ça qui me désespère, il n'y a pas une jeunesse capable de comprendre que la relève, le changement doit provenir. Merci. Pas, cette vieille classe. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités et Maimouna Diado, journaliste indépendante, Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative et Hussein Issa journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci aussi à la technique assurée par Mustapha Ayouba. Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.